Thank you. et Donc ce sont les clubs jeunes là. met des enfants qui sont âgés de 15 à 24 ans. Donc ils déroulent beaucoup de programmes pour la Fédération Pentium Dakar. Mais, comme vous le savez, il y a deux ans de cela, donc la Fédération Pentium Dakar ne se limite pas seulement au niveau des jeunes qui sont enrôlés dans nos programmes. On a ouvert nos activités pour tous les jeunes dans nos zones d'intervention. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui 11 euh, gouvernements scolaires de la ville de Guédiawaye qui sont là avec leurs encadreurs et aussi avec l'IF de M. Yaya Koli. Vraiment, c'est un homme qui ne ménage aucun effort pour le développement, pour la mise en place de ces gourmands scolaires, pour le leadership et la citoyenneté vraiment des membres de ces gourmands scolaires. Vraiment, la Fédération Pentium Dakar vous dit merci, M. Yaya Koli. Donc je voudrais un salve d'applaudissements. Par cette occasion, saluons aussi la présence de tous les encadreurs. Donc ils sont venus avec Yaya Koli, parce que sans eux, on ne pouvait pas mettre en place les gouvernements scolaires. Ça ne fait pas partie de leur travail. Ce sont des professeurs. Ils ont d'autres occupations. Mais ils ont pris à cœur la mise en place des gouvernements scolaires pour qu'on puisse vraiment réussir. les gouvernements scolaires vont permettre à, ces jeunes-là, à nos jeunes de demain, de devenir des leaders pour pouvoir diriger, notre chère nation. Donc, pour ne pas euh, s'attarder un peu, comme on est à Yov, on va donner la parole à la présidente du club Jeune de Yov, qui va dire un mot de bienvenue aux participants. Ensuite, on va donner la parole aux différents clubs jeunes, les autres associations qui vont présenter leur délégation, ainsi que le président des gouvernements scolaires des 11 collèges de Guédiawaï et aussi du lycée de York. Donc, Madame la Présidente, nous vous donnons la parole. Bonjour tout le monde. Bon, moi c'est Alamine, présidente du club jeune de l'association Yamala Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Vous savez tous que ce jour est un jour spécial, car c'est la journée d'intégration des jeunes sur le civisme et la citoyenneté. Et quand on parle de civisme et de citoyenneté, je pense que l'on parle avec des responsables, parce qu'on ne peut pas parler de civisme et de citoyenneté et parler avec des gens qui ne se respectent pas. Euh, et en tant que leader, j'ai bien dit leader parce que la fédération a fait de nous des leaders. Et je sais que vous tous, vous êtes des leaders. C'est pourquoi nous, le Club Jeune de nous sommes fiers d'organiser cette journée. Car elle nous permettra de d'échanger, de créer des liens entre nous. Et aussi, c'est une journée d'apprentissage. Bon, je profite de cette occasion pour remercier M. Yaya Kouli, IEF de Guédiawaye les profs encadreurs, les délégations des associations de Cameroun, Guédiawaye, Wakam, Dalifor, Sebikotal et York. Après l'intervention des présidents des gouvernements scolaires, nous allons prendre la pause café. Euh, nous vous souhaitons la bienvenue. Passons une agréable journée. Merci Madame la Présidente. Donc je pense bien qu'on va passer une très bonne journée. Parce que l'accueil a été agréable. Donc on va donner la parole au président du club jeune de Wakam. Wakam, vous pouvez venir, vous pouvez vous lever, ça dépend, vous pouvez venir ici. Bonjour, je vous salue, chers encadreurs, chers camarades. Je me nomme Oumuka Soudjo. Je suis jeune leader de l'association 1347 WordCamp. Je suis accompagnée de mes quatre jeunes euh, leaders et d'un relais et de deux pères, et de deux pères éducateurs. Euh, je suis ravie aujourd'hui de partager cette journée avec vous, avec thèmes, euh, d'importants thèmes comme le civil et la citoyenneté. Je vous remercie. merci ses camarades et collègues. Je réponds au nom de Nehadouad. Je suis accompagnée de mes quatre euh, camarades leaders de l'association euh, 1117 de ainsi que des gouvernements scolaires de l'IF de Guédiouac, ainsi que de deux personnes. Merci. Merci. Je Pour la classe de 4e, je représente le club jeune de Cameroun l'association en 78. Je vous présente mes quatre collègues, Mamoud Laïen, Baba Laïen, Aïsataka et Fatou Nous sommes ravis de venir ici. Merci. Je vous salue tous. Je m'appelle Babou le représentant du club jeune ADCS 1367 de Sébécotan. Nous sommes très contents de venir participer avec vous à cet événement. Et je crois que, Inch'Allah, ça va dérouler dans les bonnes conditions. Merci on va prendre Ndiarem Comment Donc, on appelle le, président ou la... Bonjour à tous et à tous. Je me nomme Samba Diaw, je suis le président du club jeune de l'entraide communautaire de Dalifor. Ravi d'être parmi là aujourd'hui et de partager ce thème si important. Merci bonjour tout le monde. Je me nomme Amiso. Je suis la présidente euh, du gouvernement scolaire saint de Et je vais parler au nom de toutes les présidentes. Je sais que nous, les 11 collèges de Rijovai, nous sommes ravis d'être là parmi vous et de partager cette journée avec vous. Cette journée d'intégration des jeunes. Car en, en, tant que jeunes, nous avons, euh, je peux dire, la même ambition. Donc, euh, nous pouvons travailler ensemble. Merci beaucoup. Pour dire qu'en tant que propre encadreur, nous savons que nous ne gâchons pas notre temps à former des jeunes. Parce que l'avenir de demain, ce sont les jeunes qui vont le construire. Avec les professeurs qui vont essayer, à travers les cours qu'ils donnent dans les classes, de transmettre cela en dehors des classes. Donc nous allons faire sortir le leadership des classes et nous allons faire, euh, comment dire encore, euh, faire vivre en dehors des classes avec les élèves. Et pour ça, <clears throat> sachez que nous ne perdrons pas notre temps. Donc, au nom de tous les encadreurs qui sont là, je voudrais vous dire que nous sommes très attachés à ce que les gens font ici. Et nous allons mettre tous nos efforts pour que cela puisse réussir. Et également, cette journée, nous allons essayer d'y contribuer pour que demain, qu'on puisse dire que l'école sénégalaise, au-delà de tout ça, a formé des jeunes qui demain vont diriger ce pays et nous mener vers le développement je vous remercie et je remercie tout le monde de cette fois. Merci beaucoup. Quand je l'ai vu, donc vraiment, on est fiers vraiment des jeunes. On pense qu'à travers les gouvernements scolaires, on peut avoir des jeunes leaders, des jeunes qui pourront demain gouverner le Sénégal, vraiment avec la clarté et tout ce qu'on voudrait au niveau de la démocratie. Vraiment, nous vous remercions. Donc, à tout honneur, tout Seigneur. Nous savons qu'au niveau de, Dakar, et, comme partenaire de la Fédération Pentium Dakarou, on peut dire que l'IF de Guédiawaï joue un rôle très important. Comme vous le savez, on n'a pas un seul partenaire avec les IF. Donc on a un partenariat avec l'IF de Demniadio, avec l'IF des Almadi, des parcelles Asseni, de Pékin et de Guédiawaï travail qu'a fait M. Kouli pour la mise en place des gouvernements scolaires, la satisfaction que la Fédération Pentium Dakar a eue de ce travail-là, donc on l'a eu qu'à Guédioué. Donc maintenant, on va donner la parole à M. Kouli. Donc il va discuter, faire des témoignages sur la mise en place de ces gouvernements scolaires-là. Donc M. Kouli, vous avez la parole. Merci M. Ba, M. le manager général, M. Dia chers encadreurs, monsieur le chargé du bureau de l'enseignement formation de Guédiouaï, mesdames, messieurs les présidents de gouvernement scolaire, mesdames, messieurs les leaders des associations, euh, monsieur Dia, je suis encore euh, très heureux d'être avec vous ce jour de repos parce que c'est des vous savez, c'est des vacances scolaires d'une journée. Je dis ça parce que euh, presque dans tous les collèges, aujourd'hui, il y a des manifestations. Hein, parce Puisqu'ils sont en train de dérouler leur plan d'action. Et pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine, j'étais au centre sauvegarde où ils ont mené leur activité socio culturelles Les autres collèges sont en train de faire le même travail. C'est pourquoi on a un collège qui est absent, c'est le collège Joseph Correa A, où nous avons le coordonnateur des gouvernements scolaires Diallo, qui est avec son équipe. Et il compte beaucoup sur le gouvernement, c'est pourquoi ces trois ne sont pas voulus. Mais pour le reste, nous avons 30 présidents. Quand nous disons président, nous avons euh, le gouvernement qui est dirigé par un président, comme le président de la République. Nous avons l'assemblée scolaire qui est dirigée par un président de l'assemblée, Moussa Fagnas, et nous avons le conseil constitutionnel qui est dirigé par un président. Voilà les trois présidents qui sont là avec nous. Et vous avez là les professeurs encadreurs. Vraiment, si je dis que je suis heureux, parce que vous savez, dans toute chose, s'il y a l'encadrement, on a des résultats. Parce que les jeunes laissés à eux seuls, ils peuvent faire de, bonnes choses, mais ils feront mieux s'ils sont encadrés par les adultes. C'est pourquoi je vous félicite pour l'encadrement que vous faites euh, au niveau des jeunes leaders dans les associations. Et déjà, nous avons un avant-goût quand nous les avons écoutés prendre la parole. Parce que, vous savez, je disais tout à l'heure à, l'un des professeurs encadreurs que quand j'étais tout jeune, quand je venais prendre la parole en public, je tremblais. Ah, j'étais très timide. Je tremblais. Parce que parler en public, ça s'apprend. Alors, pour pouvoir parler en public, j'étais obligé de faire du théâtre. C'est avec le théâtre que j'ai commencé à vaincre ma timidité. Et quand j'ai regardé, puisque je regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs, et ça, j'ai écouté le directeur de la Sonatelle Bay. Euh, vous savez, la Sonatel, euh, c'est l'une des entreprises qui a mieux réussi au Sénégal. Alors, une fois, je l'ai écouté, il, il a dit ceci. Il dit, je voyage partout dans le monde et je regarde ce qu'il y a de mieux que je ramène au Sénégal, que j'essaie de faire, de dupliquer, d'adapter. Quand il voyage, il voit quelque chose de bien, il amène, il dit, ah, ça, je vais faire ça à la sonatelle. C'est comme ça qu'il travaille Alors, à l'heure où nous sommes, dans l'éducation, on parle de compétences. C'est très important. On dit quelqu'un est compétent. Quand, quand on le met en situation, il peut agir. On dit que vous savez conduire quand on vous donne le véhicule et que vous conduisez. On ne peut pas dire que vous savez conduire uniquement quand on vous demande qu'est-ce que conduire, vous récitez Conduire, c'est mettre premier, deuxième, point mort et tout ça. Point final. Mais on vous donne la clé, vous ne pouvez même pas allumer le véhicule. Mais si on vous dit de dire qu'est-ce que c'est conduire, vous le dites si bien. C'est ça la différence hein, entre donner des cours, là c'est des leçons que vous récitez. La citoyenneté. Vous avez là des professeurs, hein, et autres, qui vous parlent comment être citoyen. Ça c'est ça, c'est le cours. Mais aujourd'hui, nous allons vivre une situation. On va aller à la plage. On va être ensemble. Vous savez, le vivre ensemble fait partie d'un grand programme de l'Union européenne, où ils sont en train d'apprendre à leurs jeunes le vivre ensemble, à l'espace, dans l'espace de l'Union européenne, à travers des programmes qu'ils appellent, euh, il y a un programme là, j'ai oublié, mais je vous le dirai plus tard, pour vous dire que vivre ensemble, ça s'apprend. Donc le fait que la fédération ait imaginé cette activité très importante, où on met ensemble des jeunes leaders, 33 du gouvernement scolaire, et je vois là presque une centaine de participants. Et vous êtes ensemble. Et pourquoi Pour renforcer la confiance en soi. Regardez Obama, il a dit, yes, we can. You Et il est devenu président. S'il n'avait pas cru à ça, n'avait pas confiance en lui, dans les États-Unis, très raciste, vous le savez bien. Jusqu'au moment où nous parlons, le problème est là. Mais il a percé en tant que noir et devenu président des États-Unis. Parce qu'il a cru en lui. Et la confiance en soi est très importante pour l'avenir de la personne. Cette confiance-là, ça ne se construit pas seulement dans la classe. Ça se construit à travers les contacts, à travers ses activités. Donc, pour vous dire, moi je suis très heureux. Et l'appétit venant en mangeant, quoi, dans le véhicule, avec les professeurs en encadreurs, le virus des gouvernements scolaires commence à bien prendre. Je crois que M. Dia, il va falloir préparer d'autres activités. Je reviendrai à vous pour ça parce que je vois que mes encadreurs commencent à... ils ont en tout cas pas mal d'idées qui commencent à trotter dans leur tête et c'est ça que nous voulons. Faire de telle sorte que ça devienne davantage une réalité. C'est ça que je voulais dire. Je vous remercie. En tout cas, je serai avec vous. Je ne sais pas jusqu'à quel moment. C'est je vais décrocher, je ne sais pas. Mais je compte rester avec ces jeunes-là. Parce que quand je suis avec eux, ils me donnent un grand plaisir et un espoir pour notre école qu'on stigmatise trop. C'est là où je vais terminer. Et confiance dans cette école-là. Aux États-Unis, c'est un jeune qui entre dans la classe, il tire sur 19 personnes mortes. Est-ce que pour autant on dit qu'aux États-Unis, l'école est mauvaise Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver aux jeunes. On dit maintenant il faut les entraîner, aussi bien les professeurs que les élèves, à se défendre. On ne parle plus maintenant d'enseigner les disciplines. Ils ont maintenant la peur au ventre. Mais pourtant, leur école, c'est là où nous voulons tous envoyer nos enfants avec une bourse. on va aller là-bas. Vous avez vu En France, les professeurs ont du mal sur la question de la discipline. C'est des problèmes. Et pourtant, quand on vous donne une bourse, vous êtes pressé d'aller en France. Ouais. Donc nous ici, c'est la grève qui est notre problème. Chaque société, son école a des problèmes. Ça ne veut pas dire que l'école est, mauvaise. Donc il faut avoir confiance en notre école. En tout cas, moi, vous ne verrez plus, je le faisais avant, vous ne verrez plus moi développer un discours qui discrédite et qui fait douter de notre école à votre niveau. Je vous donne toujours espoir et je veux que vous gardiez cet espoir-là parce que notre nation en a besoin. Je vous remercie. Merci. Merci. inspecteur. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Hein. Vraiment, c'est un éducateur. Il est tout. Ce que j'aimerais donc, c'est aller avec lui dans chaque collège, pas seulement au niveau de Dakar, dans les régions, vraiment pour prôner le leadership, la citoyenneté et le civisme chez les jeunes. Je pense bien que, comme il a dit, vraiment il faut qu'on développe l'estime de soi. Donc il le faut pour chaque jeune, développe l'estime de soi. Donc des fois on dit qu'il faut que dem se pour voir qui tu es. Qu'est-ce que tu veux dans la vie Ce que tu vas devenir dans l'avenir. Tout ça, donc, il faut se poser cette question-là dès maintenant pour vraiment devenir quelqu'un dans la vie. Et on a espoir. On a espoir que vous deviendrez vraiment des adultes responsables. Des adultes vraiment qui vont diriger le Sénégal et qui vont participer au développement du Sénégal. Maintenant, on va donner la parole à M. Dia, qui est le manager de la Fédération Pentium Dakarou. Donc, tout ce, qu'on fait, toutes les activités que la Fédération fait, donc c'est grâce à lui. Donc, il faut, donner, lui faire un salve d'applaudissement. Donc, M. Dia, vous avez la parole. on vous donne la parole. ne pas me donner la parole parce que euh, on ne parle pas après une autorité. Et l'autorité a déjà parlé. Et l'autorité ici, c'est M. Yaya Koli. Donc, euh, si je devais me donner la parole, il fallait me la donner beaucoup plus tôt. Avant les jeunes qui sont là, qui sont des présidents aussi. Je ne dois pas parler après un président. Surtout après un président de Conseil constitutionnel, après un président de la République, après un président de l'Assemblée nationale. Donc, on a brisé un peu le protocole. Je m'excuse par rapport à ça. Il m'a forcé la parole. Je vais la prendre juste pour vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue. Je suis venu à Guédiawaye à plusieurs reprises, euh, mais mais n'habitais pas à Guédiawaye. J'habite ici à Yoff. Je suis de Yoff, donc vous êtes euh, chez moi. Ici, euh, il y, y, a une récitation. Ici, je suis chez moi. Je suis vraiment chez moi. Les gens que je croise, les hommes que je croise, m'appellent leur fils Moi, je suis chez moi. Ici, je suis à Yoff. Donc, on vous souhaite la bienvenue à Yoff. Je remercie sincèrement les professeurs encadreurs parce que, comme vous l'avez eu à, l'entendre de, la parole, euh, de la bouche de l'inspecteur, aujourd'hui c'est un jour euh, férié, chômé et payé. Et les professeurs sont ici là avec vous. Ils sont présents avec vous et ils ne seront pas payés ce jour-là pour être ici avec vous. Donc je voudrais sincèrement que vous les remerciez que vous les applaudissiez jusqu'à ce que vos parents qui sont à Guédiawaye puissent entendre que vous êtes contents d'eux. Il y a des professeurs de mathématiques, il y a des professeurs de SVT, il y a des professeurs d'éducation physique, il y a des professeurs d'anglais, il y a des professeurs de français. Hein, euh, vous, êtes tous des professeurs de français. Et c'est des professeurs qui ont laissé euh, leur famille pour être avec vous ici. Donc vraiment, nous les... Nous, euh, euh, nous en sommes très reconnaissants. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez pu sentir hein, un, leadership assez fort de ces jeunes-là qui ont eu à prendre la parole. Parce que je l'ai dit lors de l'émission, le cadre d'incubation pour pouvoir développer le leadership des jeunes à travers l'école, c'est les gouvernements scolaires. Mais nous sommes en train aussi euh, d'essayer un autre canal qui est euh, euh, l'Assemblée des jeunes leaders de la Fédération Pentium Dakar. Ils sont au nombre de 30. Quand je parlais du curriculum de la Flatoune qu'ils ont eu à recevoir de Gérard et autres, ce sont ces jeunes-là qui ont eu à recevoir ces, formations sur, la communication, sur la prise de parole en public, le leadership et autres. Donc, ils vont pouvoir échanger avec les présidents de gouvernement scolaire pour qu'ensemble, qu'on puisse avoir un, plan d'action intégré des activités qu'on va dérouler dès l'année prochaine. Ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est bien, nous avons mis en place des gouvernements scolaires, mais les plans d'action ont tardé à être mis en œuvre. Il serait bien, parce que euh, l'IF l'a dit, il a dit que désormais, je veux que tous les gouvernements scolaires soient mis en place dès le mois de décembre pour que ces gouvernements scolaires puissent fonctionner pendant au moins un semestre. Parce qu'une activité, on ne peut pas la mesurer sur deux mois, sur trois mois. Sinon, euh, vraiment, on ferait du, comment on hmm, euh, du, euh, voilà, on sera là à rafistoler des choses et autres. Et nous, nous voulons nous inscrire dans la durée, dans les activités que nous sommes en train de mettre en place avec l'IF. Monsieur Colli, Spécialement, je voudrais bien que vous le remerciez, que vous l'applaudissiez jusqu'à ce que les gens de Sébi puissent entendre ça. Je ne sais, pas si, sais pas si vous savez ce que signifie un inspecteur de l'éducation et de la formation. Dans tout le département de Guédiawaye, en termes d'éducation, c'est lui le patron. Dans l'armée, il serait peut-être un général ou bien un un, commandant de zone. Et dans l'armée, si le commandant de zone passe, il y a des gens qui sont même obligés de, hein, euh, de se morfondre dans leur petit coin là pour dire que c'est le patron qui passe. Ici, et lui, c'est le grand patron de l'éducation. À chaque fois qu'on lui dit la, la fédération Pentium Dakar organise une activité, il laisse tout pour venir nous accompagner. C'est la raison pour laquelle il est venu avec une très grande euh, délégation. Et je l'ai dit, je l'ai répété à mes collègues, quand il s'est agi de faire la planification de l'activité, il nous a envoyé une note de service pour vous dire voici les délégations qui seront présentes, voici le nombre, voici les activités que nous comptons démarrer avec vous. Et vraiment, ça, c'est un professionnalisme, euh, un professionnalisme que nous saluons. Donc, euh, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je, sais, je crois que la présidente l'a déjà fait. Et puis, euh, nous vous souhaitons une bonne journée. Euh, il y aura beaucoup d'activités aujourd'hui. Euh, l'activité qui va clore la journée, c'est un concert qu'on va faire avec un grand groupe de, rap, c'est le groupe Bideo Boubès. Quand vous serez en atelier, il se peut qu'ils viendront avant même le concert pour vous dire bonjour. Maintenant, s'il y a des fans de Bideo Boubès ici, si vous les voyez, ne criez pas, n'allez pas les... là, hein. Ils vont juste venir, vous aurez la possibilité de prendre des photos comme vous voulez, mais s'il vous plaît, soyez, soyez diplomate, hein, soyez des présidents. Un président ne doit pas aller euh, crier à gauche et à droite. Parce qu'à Guédiouaï, lors de la remise, euh, lors de la euh, cérémonie de remise des, appuis, il y a le maire adjoint de la ville de Guédiouaï qui avait dit au président Khan du lycée Limam il faut aller calmer tes tes, voilà, tes amis-là. Il lui dit, non, actuellement, ce sont les membres du comité d'organisation qui, qui doivent se charger de la discipline, pas les gouvernements. Alors le gars a insisté, il est revenu à la charge. Finalement, le jeune lui a dit, est-ce que tu comprendrais, est-ce que tu accepterais toi que dans une assemblée, le président Macky Sall invite tous les présidents les Sénégalais sont en train de faire du but, il va se lever pour le demander de se taire. Et c'est un jeune qui a dit ça à un adulte. Donc lui, il comprend ce qu'est un président. Et ici, il y a des présidents. Hein? Il y a des présidents de l'Assemblée, euh, des assemblées, euh, des assemblées nationales, scolaires, euh, des conseils constitutionnels, président de la République. Bon, vous serez avec, avec le bas peuple, comme moi, il euh, faudra être indulgent si on, commet des erreurs. Hein. il ne faut pas nous châtier parce que vous êtes des présidents, vous êtes détenteurs du pouvoir qui doit régir le fonctionnement de la société. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de passer une très bonne journée. On a beaucoup appris. Hein. Et je pense aussi, vous avez retenu la leçon de civisme qu'il nous a donnée. Vous avez retenu, hein? Ok. Donc merci. Donc nous saluons la présence du président du CA de l'association de Djamalay, le docteur Omar Ngaledjen, présent, qui est ici présent. Donc tout ce que nous faisons à Yoff, c'est grâce à lui. Donc présent, nous vous remercions. Et vraiment, on est content que vous soyez là. Mhm. Je pense bien que on peut prendre la pause, la pause café. Mhm. Merci. Euh, moi, un membre du bas je vais quand même prendre la responsabilité. Oui, c'est une chanson, merci, Pas trop chanter, mais je peux en, tout cas dire des mots. Je peux les... Des c'est bon, c'est en bas. Ok. Donc... Euh, notre inspecteur, M. Yaekoli, nous sommes très fiers d'être vos enfants. Et nous savons aussi que même si nous ne sommes pas vos enfants biologiques, vos propres enfants sont trop chanceux de, vous avoir comme père. Car, comme l'avait dit notre, euh, euh, le manager de pension Dakarou, ce qui se trouve à Guéjoa ne se trouve nulle part. Et nous en sommes conscients. Nous sommes conscients du changement, du développement qu'il y a en nous dans, dans le plan professionnel, dans le, plan, dans le plan moral et dans tous les côtés. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. c'est quoi Ou bien la citoyenneté, c'est quoi Oui Oui Derrière La citoyenneté, c'est quoi Oui Oui C'est de C'est le fait de connaître ses droits et ses devoirs. Donc la citoyenneté, c'est plus l'agir de l'individu par rapport au civisme. Hein? C'est ça, hein Être citoyen, oui. Il doit être un exemple. Parce que l'intégration a besoin de repères et de modèles. Ces modèles-là, aujourd'hui, vous allez voir votre environnement, tout ce que nous allons traverser. Et vous allez choisir des modèles. Aujourd'hui, on vous a présenté des modèles ici, hein, hein de visu. Maintenant, nous allons vers un environnement. On va voir ce que nous allons découvrir. Et maintenant, revenant, c'est ce que vous avez traduire en écrit ou en image. Vous allez résumer ça en images et en écrit. Mais il ne faut pas que les plus grands là se, réfugient derrière, derrière les images. Hein. Vous pouvez faire de la production d'écrit. Hein. Tout ce qui passe par la tête, vous écrivez ça. Et si vous avez des problèmes avec les textes, vous pouvez continuer le texte un peu hein, jusqu'à cette ligne. Hein. C'est bon On a besoin de ces, de ces résumés-là. C'est ça l'activité. Vous avez en face de vous des animateurs. Lui, c'est un Aloïs Ali Jada, il est moniteur de collectivité éducative, c'est un moniteur diplômé de collectivité éducative. Il a une très longue expérience dans l'encadrement des enfants. Hein. Lui, Khalifa Djed, vous le connaissez Il est directeur de collectivité éducative. Il a une très longue expérience aussi dans l'encadrement des enfants. On a cheminé partout. On a fait beaucoup de choses ensemble. Hein? Medoun aussi, que vous voyez là, il est directeur diplômé de collectivité éducative. Il a une longue expérience. Il a été moniteur pendant longtemps. Il est devenu directeur. C'est aussi un encadré de côté éducatif Moi, je suis directeur de côté culture éducative, moi aussi. Depuis 1976, je suis dans l'encadrement. Je suis devenu moniteur en 1976. La conduite à tenir, hein. on va y aller en groupe. Hein. On va y aller en groupe et on va vous adjoindre des jeunes de Yoff. Oui, oui, ils sont là, les jeunes de Yoff. On va falloir déjà Fallou a déjà fait la répartition. Donc c'est lui qui va. Fallou, Fallou. Il a déjà fait la répartition, il va venir. Et on va y aller, hein. On va y aller au pratique hein. Voilà, tu as déjà fait la répartition hein. Il faut y aller. Ça. Oui, Quand on va revenir, on va faire un petit jeu. L'intervieweur, interviewé. Hein. Et c'est tout en cours de journée, on va vous expliquer comment ça va se passer. Vous savez ce que c'est que faire une interview on va être par deux, des gens qui ne se connaissent pas. Chacun va interviewer l'autre. On vous avez 7 minutes. La, méthode du tiroir, hein, en analyse, en psychologie. 7 hein. minutes pour parler de l'autre. Et en cours de journée, on va se présenter. Je présente celle-là et elle, elle, va me présenter. Hein. C'est ça, on va utiliser cette petite pédagogie. OK À la place des portes japonais. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So help Sometimes xol bu jeex moom ngay am bés bu ney xoolal xale ñu jël saagane te teguñ ko ci yoon yoon wi buur bi digle dañu xamul ax bi nekk ci xaleel xale bi da lekkatul xoolal bi di ku dem da koy gënal yeewu yeewu nekk ci coono morom yang ngi reer sen morom yaa ngi karong sen tele di tim sen yai di reetaan boy bu ma ni ken du bàyyi sa doom boy bu ma bàyyi ni yàlla bu ke yo ja ni sa bu may xool dama gis nu dul wetaay bu mai rey di ma بودينا لو سمعي باي محل دي مخام الناس دومنا لو نار وقت وينينا لو ما كنت تاني جاي من تموت خما من اخواتنا ينسى ما فلتنا بلو بالمسافات تيغا عملو لنا جلسة دومتي Rexani fulane Ndanga fate akabi am chinjurel Bay sa dom ji xamlo ci lu mu ne Xale bi dale ko tul Xola xale bi di nelaw ku dem da koy gënal yeewu Yeewu nekk ci coono Seen morom yaa ngi reer bu suul Sini morong yang hijau Kalong sen tele di setan Tim sen yai di retan Yai boy bumabai ni de pai sedom Bai boy bumabai ni Yalla put ke yurjangi Sabu me khol way time wetai e bumerang di masindang đêm mà khăm Nằm sợ đôm nè lâu nà Mặc tù bình in nè lâu mà quý tư tương đi chơi Mình tư mà wait khăm mà Bà nè khu aduna Yên sai mơ phương na la tudd ñi da ko yóbbu ana ngeen taalal seen loxo kan moo xam na la tudd nan la ñuy war a woowee Île de Yoff mais eh? Tëngéej pas Tëngéej Tëngéej lañ koy woowee Île de Yoff ah Île de Yoff mi noonu la waaw léegi fii boo leen seetloo gis ngeen marché bi ah gis ngeen aussi fi ñuy defaree poisson fumé ngeen jëm ah dégg ngeen ah gis yi ni mu mel gis baax yéen ñu bëri gis ngeen ko dégg ngeen ah waaw yang gay yang ko nu si en français comment on l'appelle ah yaran gay nu mu tudd yam yang yaran ko yaran ko nu mu tudd en français ah avec des tentacules yam tentacules sale Sepegil mengilai rai Setluna setluna Setluna Setluna Ya mangano Wakalag manalimoga Somagi sayangi sale Sepegil mengilai rai Setluna setluna Setluna Setluna seetlu la yow mën nga noo su samedi jotee yaa ngi xool li may sañse su dimanche jotee yaa ngi may rombete yow waxal ak man moo gën moo gën moo gën yow waxal ak man moo go me. Baye Mohamed laay woo song on trigger boy money man on bed woo na ma fonkum na la on a demandé à tout le monde de descendre ku am gan yokk reer dans l'égérie wolof on dit ça ku am gan yokk reer ils ont tout laissé ils ont voulu venir vers nous ils viennent d'abord nous saluer ça ak hein, comme on dit en wolof Moi, je vidéo ils sont là on vous a demandé qu'on ait ils vont venir et ensemble hein, je pense qu'ils vont aller les chercher hein ils vont aller les chercher ou quoi on a un référentiel je pense que c'est la présente qui va parler d'abord un discours d'accueil, un mot d'accueil. Ensuite, la représentante des, hein, des gouvernements scolaires. Ensuite, ensuite, un professeur va parler au nom du staff d'encadrement et à la fin, on va donner la parole à l'inspecteur Yaya Koli. C'est bon c'est ça le référentiel de fonctionnement que nous vous proposons. C'est bon Ok, merci du de la Citoyenneté. On les applaudit encore très très très très fort. Du groupe de jeunes de Yoff pour souhaiter la bienvenue à nos autres. Bonjour Bidéo Bobès. Bon, avant tout, moi je suis fan de vous. <laughs> Et dans la salle, il y a les jeunes de Guédiawaï, de Wakam, d'Alifor, euh, et Yoff. Nous sommes des leaders. Et vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue parmi, vous, parmi nous. Et nous espérons que nous allons passer un bon après-midi avec vous. Soyez les bienvenus. <laughs> Donc je vais encore dire rebonjour tout le monde. Euh, nous les membres, nous les euh, membres du gouvernement scolaire, nous sommes vraiment honorés d'être là parmi vous et nous sommes aussi heureux de vous recevoir, vous, euh, les membres de Vidéo Boubès. Et merci beaucoup. Et on espère que vous allez passer les mêmes moments agréables qu'on a passé avec ces gens, car c'est une bonne chose de partager, d'être ensemble pour moi, c'est la meilleure des choses. Merci beaucoup. Merci. Ah, à cette heure parler de nous, faire nous serrer là, quoi. Alors, je vous remercie vraiment de m'avoir donné la parole. Euh, je veux juste dire que nous sommes très honorés d'être là et d'assister à cette cérémonie qui marque la présence de bideau Boubès. Alors, euh, monsieur les Bidou Boubès, j'aimerais vous présenter d'autres vidéos qui sont là et qui vont, dans un futur proche, peut-être diriger le Sénégal, diriger l'Afrique, diriger le monde. Et je vous demande à ce que vous les applaudissiez très fort, vraiment. Parce que vous êtes des vidéos dans votre domaine, mais eux, c'est des vidéos aussi dans leur domaine, je crois bien. Donc ça, c'est fort. Et j'aimerais bien vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous et que le concept vidéo baisse, désormais, nous allons nous approprier cela et nous allons former nos vidéos pour que nous aussi, nous soyons des firmaments. Merci beaucoup pour tout le monde. C'est Merci. Euh, nous allons donner la parole euh, à M. l'inspecteur, donc M. Yaya Kouli. Merci. Rebonjour, euh, M. Sall. Et vraiment, je suis très content. Je crois que entre vous et ces jeunes leaders, ça va être une très très longue histoire, je pense. Hein. parce que vous savez, euh, les grandes choses viennent juste d'une petite rencontre. Ça peut être une rencontre entre un être, une personne et une autre personne. Ça peut être une rencontre entre une personne et un document. Ça peut être une rencontre entre une personne et un événement. Ça peut changer le cours des choses. Et je pense que entre vous et ses enfants. On va y réfléchir. Parce que c'est par un coup de dé, pour ne pas dire un hasard, qu'on s'est rencontrés et vous voyez que de plus en plus, la mayonnaise est en train de, prendre. Vous avez là des jeunes leaders et franchement, c'est des jeunes leaders. Moi, je je les écoute, hein, que ce soit les leaders des associations, mes présidents, vous les avez entendus, je que à ce niveau-là, c'est clair. Et je ne vais pas trop durer parce que je sais qu'ils il s'impatientent. Et la soirée, la journée, avec, avec, euh, avec euh, Salle, avec Dia, on a dit à 18h, on va, nous, on va partir. Parce que je sais que sinon, avec Vidéo B, ça va être toute la journée mais ce n'est que partie remise. Je voulais juste vous présenter nos condoléances, parce que nous savons les relations qui vous lient avec euh, Feu Papis, et toute la nation sénégalaise a perdu. Et vraiment, nous prions que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Merci beaucoup et bonne continuation. Voilà, merci. Euh, nous allons vous donner la parole. Hein.